amis de tous à la Fada, bienvenue dans votre émission hebdomadaire spéciale jeunes. Vous l'avez compris, dans tous à la Fada, nous parlons de tout ce qui intéresse les jeunes. Afin nous parlons cinéma, c'est fou comme c'est tard à bercer notre enfance. Voyageons un peu dans le temps. Lokacin da Niger Kabaskabo de Umar Ganda ou les orbes noires de Swan Vendredi Noir de Jingarei. Franchement, on comprenait pas pourquoi tout était noir, mais c'était super cool, c'était Trop bien, Ayo, ah, ira fina-finai zan da Un da mata les, jeunes femmes et les, les jeunes filles <laughs> c'est ça non je me trompe pas <laughs> nous sommes au CNCN au Centre National de la Cinématographie du Niger pour parler avec les cinéastes euh, qui donnent un nouveau souffle à cet art pour tout vous dire à cette fois là, nous sommes avec des stars du 7e art nigérien des jeunes qui font notre fierté au-delà de nos frontières Da mugani Aïkensou, aikin su da suke sarfa wannan fina-finan mu gane daga ina ne abun ya musu a kane suke aiki muka gayyaci Amina Waira elle est réalisatrice avec plusieurs films d'école à son actif et un autre euh, moyen métrage de hido sunan Amina ça va <laughs> ça va ya ne ya fada tamu <laughs> alhamdulillah kin fada ba fara ba su su dido yau ba shahi amma prochain number <laughs> prochain Ça. ba fa ah, fada ba shahi wallahi kin gani da eh. Nous sommes également avec Aïcha Maki, cinéaste dans son panier. Plusieurs films, documentaires, courts-métrages, bref, une fierté nationale. D'ailleurs, décoré chevalier de l'ordre du mérite C'était trop bien. Aïcha, ça va Ça va bien. Oui, Fada, nous aurons de la musique, des questions d'auditeurs, mais également la chronique d'Olivier. Après plusieurs grands films et des grands prix remportés par les cinéastes nigériens, Haroko Kifunafine sont sun un de baya a Shekarunga de da à wasu matasa ne suka zo suka shiga cikin wannan aikin suka kama wannan aikin fina-finan kuma suke kokarin su don su hiddo su na Niger cikin wannan harkan fina-finan nous sommes super super fiers de vous je vous le dis déjà quoi Merci. ça là on commence par ça <laughs> parlez-nous de cette passion que vous avez pour le cinéma karatun sarrafa fina-finai ne kuka yi ko dai kun sha kallo kun sha kallo ne kuka ce kai bar ni ma in fara nawa amina eh, eh après après mon bac gaskiya ban ce ba zani harkar sinema tunda ni da na ida baka au début je voulais faire de la géologie géologie kin <laughs> <laughs> eh, mm. to yanzu bayan da na kare da na samu bak na tene wani test na na ba san ko kin san école inda da ake ma emic école de ah mines et de la géologie mm. wa. na tayi na test in to ban samu ba to da ban samu ba da yake ni da na kare bak ina shi dai ne nike so in yi ban kawani kama plan B bah. autre chose exactement mm. donc du coup je voulais faire cette école là ouais. et après comme j'ai pas eu le test na ceto mizanyi ina nan dai ina ta tunanin abin da kamata in yi to gidan da nike ina gidan yata a yame to c'est pas loin de cette école là et à chaque fois qu'on passait, on voyait les étudiants habillés en jaune noir. Jaune noir, euh, oui. <laughs> ça, c'est notre école, hein, Exactement. les trois. Je me suis rendu compte qu'il y a une filière euh, technique, il y avait du montage. Et ni à on avait euh, l'habitude de, de, monter des photos, tout ça. Ça, ça me plaisait de monter, de faire des montages photos. Et donc, je, commençais avec le <clears throat> montage. Ouais, tu es devenue réalisatrice. <laughs> Exactement. Exactement. Destin, donc, la galère ne dai na réalisation, realisation master 1 après. Et là, tu adores ce que tu fais, non Trop même. <laughs> Aïcha, je reviens vers toi. On a vraiment l'impression que tu es né avec quoi Que tu as mm. grandi dans, dans une famille de, de cinéastes. Vois, de cinéastes. <laughs> Euh, ni kamar ina iya cewa daman ma tun ina kararrama haka ba sinima ba me da abin da ya sha harkar al'adunmu na gargajiya tun da na fara ina primary da yake a meke da suna a jihar da magaram inda aka ahini. Da yawanci a lakwal lakwal haka kikan samun mekiri da suna abinda ake ce ma club cultural kenan da na fara a ecole zangufi muna da club cultural akwai madam imo da ake cewa madam aisata ita ta fara koya mu yadda ake wake-wake yadda ake tiyatar yadda ake poem sai muka fara a lokacin da muka fara yin wannan kenan ni na ci gaba ina yin tiyatar ina yin tiyatar har na zo da sai kuran daga inda ma wani lokaci tare da malaman mu kamar su malam mamman su suleiman su tampas duka abokai na ne wanda muke muka yi yayin tiyatar tare da su mun sha eh, cin gasai eh, me ake ce mishi ma a wi plan concours eh voilà ah a garam kenan da na zo nan university ma a jami'a ma na zamna a cikin club cultural in jami'a inda na yi tsara ma journée culturelle ta duka skolar in Niger sautari mai sinima de in fara sinima fina-finai kamar lokacin da nake ni sociology ne à mm. Jamia Abdoumouni. Mais toi, franchement, ça t'intéresse euh, vraiment la culture, la société si, et si. tout ce qu'ils ont suivi. Oui, oui. Mmh. Ça m'intéresse beaucoup. Et mais na ne na teran kamar da kuke zuwa teran da sai na mm. ce yawanci ana yin aiki y a il y a horon shi wata da turanci il y al'ummar Nijar mafi yawancin bata je lakwal ba. an ya a ta hiba wannan fina yalla yakan iya zama hanya Il za a mutane kai ko cikin aiki aikin ma da nake yi tana iya zama hanya kin ga dalilin inda yasa na fara yanzu da na fara wannan daga de sociology na zo na fara jinje da wani abu da ake cewa forum africain des films documentaires franchement toi c'était c'était la culture hein. c'était vraiment montrer cette euh, beauté la beauté de notre culture vous êtes euh, là à écrire euh, le scénario, ou vous êtes derrière la caméra carrément, ou vous êtes euh, actrice. Explique-moi, Amina. Et ton, harkan des films documentaires, ba a zancen actrice da a ce personnage. Ok. Qu'est-ce cikin documentaire mutum abin da yake yi ne kake a cikin viko cidian din shi ne kake dokan shi. Hmm. Kamar abubuwan da dama yana yin su ne kake dokan shi cikin reality din shi ne. Kan in aka doki ka in film din da la couleur dans le vent, dans le vent eh to ni ina ciki ina ciki mai bana ce bani actrice ce mai dan saboda besoin in film inne na shiga ciki tun da dai histoire ita ce zancan garin mu ne ne exactement kenan ina ciki kuma babana yana ciki kenan bana ce shi ma aktar ne ba kenan shi ma dan saboda akwai abubuwan da nake so ya mun zance wanda suke daliyan da film in kenan saboda shi ne na kawo shi dan ya ba ya ba da labari ya ba da point de vue in shi mu yanzu in kana yin film an tan da realization ita tsatsarawa ne kake ni kake so ka gwadi en function da eh ka rubuta tunda documentary ma sai ka rubuta zabi cameraman dokan hoto a banni filmi ah, ban banni filmi me sa dai akwai realizator wanda su su suke filmi amma ni in ina aiki ban filmi ni eh, realize kadai nake kenan an fo an public layer ah. kenan shi yasa irin wannan an ah, kina nan ga ta yakan inda kina shiga cikin filming za su ta actress kwa <laughs> oh, irin na kin wuce kanya irin na kama a amurka aisha ke kuma gaya ke amma ke kin shiga cikin filming ki da yawa ko ke kuma ina ganin cikin filming ki eh si si eh kamar me yake da suna abin ake ce ma realization tambayar da kika yi kamar kamawa ne take akwai lokacin da kake iya shiga cikin fim ɗinka wato sai ka zamanto kana gaban kamera kuma hannu kana bayanta tunda kayan ake zuwa no no an ce bayan kamera ba dole ba sai kana filin ah, tunda ko bayan kamera kai zaka yi tsaye ka ce ma mai kamera haka huskar rabu daukan mani ita ta zama babba daukan hmm. mani ita a a gyara ta eh yawa kai ne kake bayan kamar da aka ce miki <laughs> gashi ana buton in buton eh, yana zamna <laughs> kisa an ce ana orchestra haka ko eh. aikin sa akwai mai ganga akwai mai gitar akwai to gaba ɗaya kai ne chef d'orchestre inda mai kamera inda mai son kin da wanda yake komi da komi kai ne kake tsatsarawa shi ne ake ce ma realizator wato in kana gaban kamara a lokacin da kake cikin fina-finan naka ne mm. shi ma kama ne take ba haka kawai kake zuwa ba kamar an na so gashi cikin <laughs> cikin kunu ka haɗu a ba haka nan bane ba mm. kama ne take yanda ya kamata sai ka zama ka shiga yawanci da ke gani na saboda ina yin fina-finai biskan mafi yawanci abin da ya shahi ni kamar banda zuwa nesa in nemo a kusa da gida eh menene ya mm. shahi duka saboda shi tun tunda na fara daga lakwal iftik c'est vraiment du vécu quoi voilà donc shi yasa kika gani ganin film kina da nayi ɗano ne da uku ne duka ina ciki amma akwai wasu filmomi da nayi wanda ban na ciki kuma kamar in ya to tarihin ba na bane ba sai in koma bayan kamera in tsaya kadai amma in ya to abin ya shahin ni ma ina baya kuma ina gaban kamera avec autant de producteurs franchement autour de nous on se sent comme dans un plateau de cinéma hein

Je te séduire, elle à fada de Sabon Star qui mon film nana Niger. Elles nous parlent de leur art, de leur parcours. A wannan fadar mu ta yau muna da Aisha Maki ita da karatun realization tai a wannan makarantar da ake cema iftik. Muna tare da Amina Waira, Aisha Maki, ton film qui traite de l'infertilité ou encore savoir faire le lit. Ben yana dis donc a fina finan ki kina maganganun abun da mutane suna jin yawunin su su yi nan. Ki kuma yake koro su a fina C'est un marque de fabrique quoi. Franchement, <laughs> j'ai l'impression que c'est ta marque de fabrique aha so limited na cin ai kamar yadda ake ta tele tana da lin editorial to ni ma haka ina da ta ni ta wata da abin da ya shahi abubuwan da hausa ban san sosai ba me ake ce mishi dai abin da ya abin da mutane suke jin yaunin hira ana jin yaunin ai magana shi ni duk wani abin da ya shahi aibu mhm. me yasa nake yin shi saboda muna da abubuwa masu kyau da dama a Nijar lalle amma muna da aibu da dama hallo kuma mafi yawanci abubuwan da ya shahi abubuwa ne masu aibu kamar ana shakkun magana akan su kuma in ba a magana akan su ne sukan iya haddasa fitina sukan iya haddasa hallo illoli masu yawa a cikin gidajenmu a cikin mu na yau da kullum saboda haka ne kamar alal misali da na yi sabuwar falloli a Saint a Senegal na so ne kamar in yi da na tahi da tarbiyata ta nan Nijar na tahi can Saint sai na ga kamar akwai wani abu wanda na gani a can ake wanda ba a yi a wai kamar yadda uwa da ɗiya za su yi zamana su yi hira bisa kan zamantakewa ne wadda kullum ko bisa kan arme bisa kan harka abin da ya shahi al'aurar ta matancin ta duka abubuwa ne da ya kamata a ce mata sun sani saboda in baka ba ba diyar ka tarbiyya a gida ka kwatanta mata yadda za ta yi ta kare kanta da duka wani abubuwa na illa ko na maza wanda suke nan suna yawo suna bin katangu suna neman da su samu su lallabu ɗiyan mutane <laughs> su ba a waye ma yara kai ba kin ga kenan matsala ne to kuma yarinya kamar yanzu in biki gaya mata ba me ya kamata ta yi kakani sai ya zama matsala sai naga a Senegal suna zama da yaran su su koya musu yanda ake har kula da arme yanda ake harka kula da tsafta da tsaftan miji da sauran tsafta jikinka sai abin ya burge ni kayatar da ni sai na ce wannan ya kamata a ce na in zan zo daga Senegal sai in kama matan Niger zigege ah, kin jin da yanda ake shine fina-finan sunan shi yaya ake yin shinhuda kuma shi ma na tahi daga karin magana ne da ake da magaram mm. saboda wata ya take mana amma a bikiya ta ce kullum mm. tare muke da ta Maryam ake ce mata zattai arme aka ce mata in kika je gidanki ki iya shinhuda ha <laughs> ita ta za dora da rani ta rika gyara shinhuda to kuma tana yarinya ne <laughs> mun ta hitruwa zai muke ne aka mata ba ta gane ba in ta je ta ce dan me yasa ita ta yarda ba da harkan mijinta kenan shi yasa sai da yazo ana ta shakkun mine ne ya faru me ya faru ita kuma ba ta gane me ake nihi ba da a iya shinhuda sai ta shinhuda da rana ta goge ta goge tas a gado <laughs> shi ba na ake nihi ba an bata abin ne a cikin kana gani ma ina buga ta an nade mata abin ne a cikin yake da suna ba ta gane shi ba eh, sai da aka warware mata bayan ta yi armi to saboda shine sai na ce bari in yi in kama matan Niger zigege daga Senegal franchement tu es la mm-hmm. reine des questions tabous, la reine des questions Ah mais mm-hmm. je reviens vers toi mm-hmm. la colère dans le vent c'est c'est le vécu c'est c'est ton histoire c'est la vie euh, à Arlit tu as grandi là-bas ouais ton film. Raconte-nous cette histoire. Et euh, to wanga idée un film en dans sa ta ma tun harko zamana na arlit ne tunda ina da ubana da aiki cikin min in uranium to lokacin nan dai da na samu ide in yi film din site dan in ba da me cewa kamar dan in yi zancen masu aiki cikin min ne to daga baya da na fara dai da abin ya fara da na fara interesse bisa harkar kishiyon in travel in min da na fara research dai na gano abin da dai ake yi a min kisa suwa travel in da consequence in aikin da harkar radiation harkar contamination to daga nan ne sai na ce to fim ɗin gaba ɗaya ma bisa haraka contamination ne zan yi shi kamar menene illa aiki a cikin min ɗin uranium to yanzu uh, fim ɗin da ya kamata in tun da gari na a can na girma ni ma ina cikin waɗanda suke shakar radiation ɗin sai mahawarin da na ce ni ma ina cikin fim ɗin kuma da ubana shi ma da ya aiki ina so in shi ya bani ra'ayin shi bisa ah, aikin bisa aikin min e kuma population in ma da take can ya ne take eh, wata da exploitation in ta, ta uranium to yanzu shi ne film ɗin sai otor da sa ji ra'ayin population da mutane wanda suka yi aiki da waɗanda su ne harkon buɗe ma eh, min in abin suka zama yanzu daga sunan cikin malati ba a kula da su sana cikin kuma yawancin malatin da gari su duka eh, aikin min ne ya kawo musu shi kelan gashman abin ga zancen cikin arlit kama ana zancen me ban da arlit duk wanda da yake da ko wani kuza ne ko wata kuza ce arlit dai eh. duka wannan zancen kullum ana yin shi hmm. mais franchement c'était audacieux d'en parler kuma yawancin an yi shi ma zancen in ana yin shi ma kamar yadda dai muke nan bai huce fada oui c'est la eh. fada quoi mais toi <laughs> toi t'as tout un film eh yawa to kenan kamar yadda muka ci Aisha ce ta ce dazu kamar ta ga film abu ne da ya kamata a yada kowa ya gani kowa ya shi tunda ba kowa internet fada on était entre filles nous avons un, garçon, <laughs> <laughs> qui nous a rejoint <laughs> approche-toi ça va tu vas bien c'est Boubacar Djingarei. ça va tu vas bien Bienvenue à la Fada. <laughs> on était avec les filles depuis euh, un moment déjà. Elles nous racontaient leur parcours. Et puis euh, là, on commence à sentir aussi leur engagement et tout. Tu racontes-nous aussi de ton euh, côté, ton parcours. tu es réalisateur, cinéaste, c'est ça Oui, je suis uh-huh. réalisateur. Ouais, c'est familial, hein ah. c'est une affaire de <laughs> famille. c'est héritage. Parler de parcours, je peux dire que moi, je suis, je suis né et grandi dans le cinéma parce que moi, à l'âge de 7 ans déjà, j'ai trouvé la caméra à la maison. Je voyais des acteurs euh, et les techniciens qui défilaient tout le temps dans la maison. quand je descendais de l'école, on nous, on nous disait silence, ça tourne, nous on comprenait pas. <laughs> ça tournait tout à fait. Silence, ça tourne. Ça tournait tout à moi. Depuis lors, on a a commencé à créer ça dans la tête, on s'est dit, ben voilà. Donc, euh, après, je me rappelle euh, dans les années 93 ou bien 15, je me prépare très mal de la date. Je sais que j'étais au primaire le tourné tournait un film documentaire. Il m'a dit, mais toi, là, viens, tu Tu sais lire, tu sais lire, non tu sais écrire, oui, bon, tu prends le clap. <laughs> Voilà. c'est une obligation. quoi, voilà, moteur, ça tourne, tu dis le numéro et le plan, clap. et tu, C'est parti de là. Donc, petit à petit, on a commencé à prendre, à prendre goût. Mhm. D'accord, on a commencé à prendre goût. Et bon, à un moment, arrivé après les études supérieures, euh, on a cherché du boulot à gauche, à droite. Il y a des boîtes qui, nous ont, comment on appelle ça, qui nous ont exploité, si on peut le dire. Voilà. Parce qu'il y a un métier que je sais faire là, donc j'ai pas besoin. tu as grandi dedans. Voilà. Voilà. Donc euh, je me suis lancé. Je me suis lancé, je me rappelle, en 2015, après qu'on était au FESPACO, après avoir regardé quelques films amateurs, des films d'école, j'ai dit à un ami là, bon, moi si je rentre à Niamey, je tourne mon film. Hein. Il m'a dit, ah bon? Dit, oui. Il m'a dit, comment ça? dit, en tout cas, il faut être euh, optimiste d'abord. Il faut être optimiste et puis bon, voilà. Alors, quand je suis venu, je, moi, je pensais que bon, avec mon titre, mon nom là, je dépose un dossier. <laughs> ça allait super facile. C'était pas ça. il y a des gens qui m'ont carrément découragé. Et, là, t'as as combien de films à ton actif Là, j'ai trois films. Voilà. Euh, une série aussi, non Oui, bon, deux films et une série. Il y a un documentaire qui est en cours. Ça s'arrête pas, hein, ça tourne, ça tourne tout le temps. Hein. Je vous explique un truc. Cette émission, la fada aujourd'hui on est sur un toit carrément quoi franchement c'est une première une belle vue <laughs> hein. en plus on est avec des cinéastes silence ça tourne <laughs> action eh, Batman déjà, t'es. voilà vous voulez réagir euh, sur tout ça, la FADA, vous aimez cette émission, vous l'adorez, envoyez vos questions sur les thématiques qui vous intéressent. Abonnez-vous à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 88 54. Un autre tour en musique et on se reprend juste après L'ennemi Love You de Eric Bellinger. something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. So go through the darkest of days. Heaven's a heartbreak away. Never let you go. Never let me die. star star kin Niger na harkan fina muna tare da Boubacar Jingare <laughs> Jingare des séries noires voilà et toi tu as trouvé noir pour mettre en fait moi j'ai mis noir c'est parce que c'était un début il faut bien, que quand on rappelle la famille hein. voilà quoi ça que ah. voilà le fils aussi il est là il est engagé et après bon on est sorti du noir, on a fait On est sorti du noir. <laughs> pas du blanc, mais bon, on a pris en tout cas toutes les couleurs. Hein. voilà. En tout cas, c'était noir, mais c'était super coloré. Tout à fait. Nous sommes également avec Aïcha Maki, it comme réalisation qu'un film avec plusieurs films à son actif. Amina Waira, itama des films qui, comme film Omide Watei. D'ailleurs, Aïcha, tu étais au Festival des Cannes en 2018, hein, où tu as présenté ton projet Zender. Au passage, j'étais super fière de toi. Je te l'avais dit quand tu es arrivée, mais tu vois, c'était Merci oh là beaucoup. elle est chez moi. Je la connais, je la connais. je te dis, bah, c'était top quoi. Ah, tu as bien sûr. Chachmi mkilo pas assistant ba. Waro Il Ila secrétaire ami. <laughs> Officiellement. Là, on va parler de, votre engagement, des thématiques que vous aimez aborder. qu'un film ou cours. wani irin matsaloli ne kuke so ku yi zance kusa kansu ke da sha kin yi magana wani abun da cikin hira da ake jin shi <laughs> zancen shi ma ba a yi a tele radio ke kuma kin hido cikin film hmm. explique moi wani irin engagement ne gare ki qu'est-ce que tu veux quel combat tu veux mener au fait à travers cet art hmm. euh, bon moi généralement euh, ina yin film ina ina je pense plus à l'environnement da abin da ya shahi muhalli muhalli wannan yana yana cikin kamar lin editorial ina tunda bon ban sani ba ni a chaque fois sai in ce tana cikin jini ne tunda ni abin ga origine inani ina ni buzuwa ce to buzaye a wurin ça c'est c'est quelque chose de très important tu c'est in ce tana cikin da a chaque fois da abin da ya shahi muhalli nike eh, eh, nike nike hudo shi a travers mai film tunda film inda ne na harin na harin ma na film de kwal bisa wani portrait ne ne bisa wani wani mai sai da zumuwa wani ya yake tato zumuwa ya yake yin har sai da shi tunda shi etudiant mm-hmm. ne ma yana diplom in shi me da yake hulla ne nomad ne yace shi sai da zumuwa zai yake mm. ta yana sai da zumuwa na biyu kuma bisa wata ferm ce ferm a senegal ferm agro-pastoral su ah wasu eh, village eh, hmm. to plus ou moins <laughs> tu vois nous c'est les paillettes toi eh, tu vois exactement bon donc euh, du coup wanga su ferm ce da zo suka yi garin su ne da sheseres kauyen su ne da sheseres ta zo ta yi ravage wasu su biyu suka zo suka ce bari su yi ferm a nan don su don su sake sabuwar rayuwa kuma 'yan ƙauyen su samu aikin da za su yi ke sasuwa aikin hannu ko aikin aikin da dai da zai sa ƙauyen nan nasu ya sake sabon wata sabuwar rayuwa sabon tashi kenan bisa wannan ferm in ce nai shi ma dai abin ga kamar tun da ni da na hutu cikin dezar na hutu kenan gwada kwatanta mutane ne muke ko a cikin na zo garin mu kamar yadda Aisha ɗazu ta ce kamar zigege ne muka kawo musu su zo su gani gashi nan firm ce da suka yi toi les gens on a eh. compris c'est là c'est écolo to donc c'est ça il y a un truc si vous, voulez bousiller un truc là dans notre là Faites attention à la fille là. <laughs> Je vous dis. Okay. Aïcha, mm je reviens à toi. Toi déjà, hmm. dans tes films, tu parles beaucoup de ton vécu. Hmm. Mais tu aussi véhiculer la beauté de notre culture. Et quoi encore et... en fait, moi, et mon domaine de prédilection, si je peux euh, le dire ainsi, c'est surtout la femme et les jeunes. Moi, j'aime beaucoup parler de la question de la femme parce que bon, il faut pas. Euh, il y a non seulement la beauté à montrer, mais aussi il y les difficultés que vivent les femmes à montrer. Donc euh, c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à la question des femmes et particulièrement moi ce qui m'intéresse c'est la perception du corps. Venant de la sociologie, la question du symbolisme, de la perception, c'est des choses en fait qui reviennent tout le temps dans mes films. C'est comme un leitmotiv. Et, mais cette fois-ci, euh, je me suis décidé à aborder la question de la jeunesse aussi, donc euh, qui est quand même euh, qui la, clé en fait. Ouais. Du parce développement, hein. voilà oui voilà absolument on est la jeunesse elle est à plus de la moitié de la population donc il fallait aussi voir de ce côté-là. J'avais fait des films avec euh, des femmes et cette fois-ci, je, m'intéresse à un sujet qui n'est pas intime mais plutôt un sujet euh, sociétal. Et c'est une question, on peut dire, qui a toujours longtemps touché Tout la à région fait. de Zender. Hein. Tout à fait. Et en fait, l'intérêt, c'est quoi Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans le cinéma, c'est que c'est un art qui permet de communiquer et qui peut aller qui peut être en fait, qui peut servir de canal de entre guillemets de révolution douce. Mm. Si on veut par exemple révolutionnaire faire, dans l'âme, hein, <laughs> si on veut par exemple faire un truc au lieu de prendre des pancartes, aller dans la rue et qu'il y a des risques de récupération politique et de tout genre, mais on fait un film sur, un sujet assez virulent, ça peut toucher les gens, ça peut les trouver jusque dans leur chambre à coucher et ça peut aller jusqu'au lieu des cultes. Nous, on a eu à faire des projections dans des églises, par exemple. Et on voit, par exemple, lors d'une khutba à la mosquée, <laughs> avant que l'imam arrive, il y a des gens dans la mosquée qui regardent des films. Donc, ah on bien sûr, avec le WhatsApp, mhm. ils regardent. Et donc, si vous mettez des petits films, ça peut aller partout, mais partout. Donc c'est vraiment un art sans limite. C'est pour ça que je cet art-là. Ah ça nous permet de parler de nous. elle parle ah <laughs> Ça nous oh permet en même temps de parler de nous et de parler aussi des autres, mais surtout en fait de faire en sorte qu'il y ait. explique-moi, toi à travers cet art, comment tu comptes contribuer au développement de ce pays euh, Qu'est-ce que tu veux toucher au fait avec cet art-là Moi, ce que j'essaie de toucher le plus dans mes réalisations, c'est les problèmes euh, socio-culturels Mhm. Voilà. Euh, je prends le cas de mon premier film qui parle de l'infanticide. Alors, ah un film qui, qui donne, euh, je dirais pas une réponse exacte parce que je dis que c'est un acte euh, ignoble qui n'a pas d'excuse, mais quand même, il y a quelque chose qui pousse les femmes à commettre ce cet acte-là. Donc, à travers ce film, j'essaie quand même d'expliquer ce qui pousse vraiment les femmes à, à commettre l'infanticide. D'accord Voilà. Donc euh, le deuxième, euh, cheveux noirs de Maïmouna, qui parle aussi d'un problème. Euh, ah, noir <laughs> <laughs> euh, Tout à l'heure, on parlait de noir, noir là. On disait, nous, on ne comprenait pas. Noir là, c'était quoi exactement Mais en tout cas, on aimait bien. <laughs> Donc chaque fois, les gens, quand ils parlent de, de l'immigration, on parle de la route, du parcours, tout ça. Mais moi, et ce qui m'a tiqué dans l'immigration, c'est les gens, le comportement des gens les immigrés, souvent nos frères, nos sœurs, quand ils partent en Europe et quand ils ont vécu quelques années, ils viennent euh, au pays, on ne les reconnaît plus. Voilà. Le comportement. le comportement, mm. vous voyez. Tout change. Et si c'est le comportement, encore ça va. Et qui sérieuse qu'on connaît ici, qui est là, vraiment, <laughs> vraiment une très belle éducation quand ils partent en Europe pour des études. Alors, quand tu reviens, tu la vois avec des cigarettes, l'alcool, tout ça. Voilà, c'est pas nous, ça. Alors que c'est des cas qu'on rencontre. Et j'ai eu une projection, plusieurs projections. Et chaque fois, quand j'ai fait des projections de ce film, il y a au moins chaque fois, j'ai dit, il y a quelqu'un dans la salle qui vient me dire qu'elle connaît. Elle a, elle a une, nièce ou bien un parent qui, a qui, est dans la même situation. Vous voyez D'accord Et la série qui parle de, des problèmes. Euh, conjugale. Donc euh, là, j'ai essayé de faire en sorte que le film touche tout un chacun. J'ai pris des vieillards jusqu'à la jeunesse hein, qui, qui cherche à, se marier. Donc, il y a <laughs> tous les personnages <laughs> voilà. Donc bon, là, celui qui est en post-production, là, c'est autre chose. C'est la fiction. C'est l'insécurité au nord du Mali. Je suis d'origine euh, malienne, à mon village qui est ici à côté, à 200 km de Niamey. Alors, et quand une fois je suis parti, moi je suis parti en vacances avec ma petite caméra. Je voulais juste filmer les parents, tout ça. Et je trouve une situation qui m'a dépassé. Tout le monde se promène avec des armes. Je dis, mais attends, qu'est-ce qui se hmm. passe là Donc, j'ai profité. En tout cas, j'ai fait des belles prises de vue. J'ai eu de très beaux témoignages des femmes qui ont été agressées, qui ont été violées, des hmm. hommes qui ah ah bah, des boutiques qui, qui sont partis en faillite, des gens qui sont obligés de fermer leur commerce parce que ça va pas. Voilà. Parce que... Mon tout doucement, nous glissons vers la fin de cette émission, mais avant de se dire bye bye, zamu tarbi Olivier et de chronique kin de ce cikin nous ake labarun duka Bonsoir amis jeunes, la semaine qui vient de s'achever est marquée par plusieurs événements importants. De la politique, du cinéma, ce soir, avant de vous proposer des activités à ne pas rater, voici un rappel historique. Thomas Sankara, une figure de la révolution burkinabé, devenue une légende. Né le 21 octobre 1949 à Yako, en Haute-Volta, actuel Burkina Faso, il décède assassiné le 15 octobre 1987 à Ouagadougou, dans la capitale burkinabé. Ce lundi, on commémore les 32 années de son assassinat. Charismatique et visionnaire, issu d'une classe sociale modeste, Thomas Isdor Sankara était un homme d'État anti-impérialiste, révolutionnaire, socialiste, panafricaniste et tiers-mondiste. Thomas Sankara fut le président du Burkina Faso durant la période de la première révolution burkinabé de 1983 à 1987 qu'il finit par totalement incarner. Durant ces quatre années, il mène à marche forcée et y compris en recourant à la répression de certains syndicats ou organisations politique rivale, une politique d'émancipation nationale qui passe par exemple par le changement du nom Haute-Volta, issu de la colonisation en un nom de la tradition africaine Burkina Faso, qui veut dire pays des hommes intègres. Cette semaine, un rapport de la Banque mondiale indiquait que la dette publique a considérablement augmenté dans les pays émergents et en voie de développement pour atteindre 50% du PIB en 2018. Alors, si vous ne connaissez pas ces monsieur Sankara, je vous propose un extrait de son célèbre discours sur la dette à Addis Abeba en 1987. Nous avons le devoir aujourd'hui de créer le front uni d'Addis Abeba contre la dette. Ce n'est que de cette façon que nous pourrons dire aux autres, en refusant de payer la dette, nous ne venons pas dans une démarche belliqueuse. Au contraire, c'est dans une démarche fraternelle pour dire ce qui est. Du reste, les masses populaires en Europe ne sont pas opposées aux masses populaires en Afrique. Thomas Sankara était devenu gênant du fait de sa lutte contre le néocolonialisme, menaçant les pays colonisateurs et certains chefs d'État africains fidèles à leur maître. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est assassiné lors d'un coup d'État organisé par l'un de ses camarades les plus proches, rapporté sur le site Wikipédia. Comme quoi, l'ennemi n'est jamais trop loin. À part euh, cette page d'histoire, mention spéciale au groupement Femmes émergentes d'Agadez qui organise une rencontre gastronomique ce soir même à partir de 20h00. Poissons braisé et merguez sont au menu. Faites un tour à l'étage de Marjan Market. Ça se passe là-bas dans la région d'Agadez. Ici, là, portez-vous bien. À demain. Bye bye. C'est la fin de tout ça, la fada. Nous étions avec nos jeunes cinéastes. Nous étions avec Aïcha Maki, Amina Waira, Desta. On était avec Rabi du studio Kalangu et <laughs> aussi à on dit merci. C'est super. Du toit, du toit du CNCN, du Centre national de la cinématographie du Niger qui nous a accueillis et facilité les choses aussi. Hein, je vous dis, on vous remercie d'être là. On en sait plus sur votre. Euh, là, c'est super passionnant ce que vous faites. C'est des jeunes qui aiment ce qu'ils font franchement kuzarin su yana Bar da mamaki abubuwan da suke yi cikin ruwa cikin iska duka dai suna nan chacune avec son cri de cœur chacune avec sa lutte chacun avec ce qu'il veut vraiment régler comme problème là où il veut contribuer au développement

Bye.